Bir ministère des finances. justement ca la ca la ca la doon au ma eggale sama laaj bi. Mm. est-ce que da nga njort comme niko ko ñi di aussi. Mm. que amna une main derrière ce rapport plus clairement que ministre de l'économie et des finances Amadou Ba. déedéet man fi ma man fi ma tollu donc nañu bayyi di wax ngir yàq der. da ko wol rapport bi sax ci bopam ba ba bu fekkee ni que amna kenn ku mësa bëgg mu lèr man la. donc c'est tout juste. Vous posez la question, est-ce qu'il s'agit de ce rapport-là ou euh, euh, Est-ce qu'il s'agit de l'autre rapport authentifié que le ministre des Finances dit détenir depuis euh, quelque temps Donc il, faut, il faudra publier dans ce cas. Mais je ne demande que ça vous demandez aujourd'hui la publication ah du rapport s'il existe. Absolument. Non, ça existe maintenant. Ah, maintenant, ah non, non, non, il faut pas. Il y a un rapport définitif qui existe. Le ministre des Finances l'a dit. Très bien. Il a dit. Non, j'avais compris que vous avez parlé d'un pré-rapport. Non. Oui. Le, ministre des Finances a dit devant les députés, oui. je le répète, moi je parle de fait, hein, oui. qu'il dispose de ce rapport